La commune de Yof, qui est une commune avant-gardiste, la commune sur qui le chef de l'État, le président Maxal, compte énormément pour développer sa vision du Sénégal émergent. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, monsieur le maire. Je voudrais cependant remercier et féliciter vivement ces braves femmes, ces amazones de la commune, et plus particulièrement ces amazones du quartier de l'enfant. Cette journée est devenue une tradition. Et chaque année, on sent à une amélioration, non seulement dans l'organisation, pour une amélioration dans le monde de femmes qui passent à cette fête. Votre engagement pour ce quartier, votre disponibilité et votre disposition pour le bien-être de la population de cette commune sont que nous avons tous les jours l'envie de vous aider et de vous accompagner dans la campagne. Vous le méritez sans vous sans vous, il n'y a pas d'éducation. Sans vous, il n'y a pas de développement. Chères femmes, quand on parle de colonisation, on sous-entend l'éducation et la formation. Un pasteur disait chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'éducation, à mon avis, comme disait Tonigo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne et tout homme courant et libre du tout idéal et pour planer là où l'homme l'a L'école est sanctuaire autant de la chapelle, donc aux petits enfants, donnez le Si nous permettons à nos jeunes filles d'aller à l'école et d'y rester, d'apprendre à lire le bois au bois, comme disait le penseur, ça nous garantira le demain d'avoir des femmes accomplies, des femmes éduquées, des femmes instruites, des femmes capables de porter le développement dans le chers Sénégal. C'est ça la réalité. Je prie pour vous qu'il y ait la paix et la prospérité au Sénégal et plus particulièrement dans notre commune. Je ñaan am le chef de l'État le président Macky Sall pour son grand engagement à développer ce pays. Le développement du capital humain assurera inch'Allah le développement de notre Sénégal. moo tax yéen jigéen ñi li président Macky Sall def keroog barke démb rek ak engagement pour bu ngeen jàppale ba jigéen nekk pilier maanaam nekk ci jiite xam ngeen ne bu jigéen jigéen ñeewoon ci kër yi.

ndax jigéen mooy exemple numéro un jigéen moom mooy gunge moom mooy xalaatal moom mooy leeral le chef de l'État joxe na ci impôts yi fonctionnaires yi quinze milliards il y a seulement de deux ans mu tey jii mu proposewaat enseignants yi douze milliards pour seen indemnité dañu jël douze milliards yi liggéey bu déwénee bu déwénee mu joxaat leen leneen syndicalisme les syndicalistes, c'est le devoir la vie d'un. ils font leur devoir d'essayer d'accompagner leurs collègues dans l'agglomération de politique quotidienne cependant quelqu'un qui donne 12 40 milliards en impôts et ce changement de paradigme permet aux, fonctionnaires moyens de gagner au moins 24 000 francs CFA si on, on y ajoute 11 000 francs de francs CFA en valeur intrinsèque, c'est 36 000 francs que le président de la République met dans le salaire de chaque enseignant. Ça n'a jamais eu lieu en une seule année au Sénégal. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, le faut de l'Assemblée, école, mon moyen de dëkk école enseignants yi qui sont importants les enseignants doivent avoir un si on veut autonomiser les femmes ce sera par l'éducation. Et l'éducation, le soubassement, sera la presse. Vous venez de